chers amis internautes la leen ak TV c'est une émission actuelle de la tanière ñu dara l'affiche de la finale de cette 33e édition de la grande du football africain Sénégal Égypte une finale tant attendue un match prévu ce dimanche à 19h boobu lay jongante askanu Sénégal bi nan lañ ko jàngatee mbaa am nañ ci yaakaar loolee dinañ ci am tontu bi ci kanam tuuti lay doon ponk bi ndam bi nga xam Sénégal daal dina am ci kaw Burkina Faso ñetti bal ci benn loolee sax daal di tax ak di ticket pour la deuxième

japp eh, ku nekk dugal sa loxo pour mu jam kanam parce que soo gisee jour yi ñuy réactionné ha, ah di daw di ñëw ah ha, dara eh, occasion day am sa gars yi reprendre ñëwaat Euh, loolu moom euh, Zori euh, damay félicité Zori ba pare parce que Zori ñoo ñoo ñoo def mas grand match quoi waaw. waaw demi final bi ah lu ma si jàngate mooy Sénégal équipe Sénégal équipe bu baax la dañoo monter en puissance ci compétition bi. parce que boo xoolee match de poule bi am na yeneen match yoo xam ne dañoo jël dañoo def ay match nul xam nga mais. concédé bu benn but mais ba ñu génnee ci match de poule bi ngay gis ne léegi xam nga l'équipe est montée en puissance dañoo dem ba ci biir gën a dugg ci compétition bi démb dañu gis Burkina Faso dañ ko indil lu lu métti ci plan tactique euh, ak plan physique. ba après euh, les grands joueurs comme Sadio Mané ils ont répondu présent waaw ñu wane suñu bopp parce que soo xoolee sax après entraîneur Burkina bi nee na ces joueurs ont été physiquement euh, épuisés dañoo sonn loolu la kon Sénégal dafa monter en puissance ci compétition plus ñuy dem plus ñuy gëna a monter en puissance euh voilà léegi nag équipe nag boo ko mënee da nga koy sa bopp moo tax ñu door ko 3 bis wa si c'est si c'est bon am na ci rôle bu am doole parce que gars yi ñu ngi gis nga gars yi sax léegi ñu ngi tuddee légui El Tactico. wa mais si c'est bon na Sénégalais yi bàyyi mu liggéey rek lolu moo ñu kam parce que tamit euh bo joué match de poule ñu yob la ñaari match nga jouer ko à 13 h si naaj bu tàng boobu loolu day def effet effet néfaste mak nga ñëwaat encore tu perte joueur mooy comme blessure yi euh, Ismaïla Sarr ñëwul woon Crépin Diatta Sabali daf ci joué bu baax waaw après dañuy encore nga amaat ay kaaw Covid loolu ci match de poule bi yooyu yëpp dafa métti mais Aliou Cissé xamoon na équipe am moo tax euh, au fur et à mesure ñu dem ci monter en puissance ba nu génnee ba mu tegee équipe type bi gis nga taxawuñu ko équipe dañ leen di dóor facilement. waaw loolu daf ci joué bu baax yooyu yëpp ay ay ay aspects yu yu négatif la woon yoo xamante ni ñu woon permettre Sénégal muy gagner match yi facilement te équipe te Sénégal dafa bëri mën <laughs> naa wax ni euh, xaw ma 16 seize millions lañ 16 millions yëpp ay coach la waaw entraîné fi dafa métti. waaw ku gis day ñëw ni coach la ku jóge gis ku ñëw wax ku ñëw wax Aliou Cissé lii Aliou Cissé laa mais bu ñu ko bàyyee mu liggéey rek man gëm naa ni dina indi dara parce que au moins moom njëkk na dem final. oui personnellement je dirais oui que je m'attendais euh, à une qualification en finale euh, pourquoi je dis que je m'y attendais parce que c'est un peu en voyant le parcours de de cette équipe nationale on a vu que l'équipe euh, montait en puissance. Donc, euh, par rapport aux matchs qu'ils ont l'habitude de nous montrer lors euh, des matchs de poule, ce n'était pas ce qu'on a vu lors des huitièmes de finale. Donc, du coup, on se dit que ah, là, il y a, y a une bonne chose, il y a quelque chose. On peut espérer vraiment que on peut espérer arriver en finale. Donc c'est vrai que c'était un peu difficile durant le match parce que voilà, nous n'avons pas pu marquer le but à temps. Mais heureusement que les Sénégalais, ont trouvé la faille. Ah, ils ont trouvé la faille. Et même si par moment, l'équipe adverse a réussi à mettre un, à, mettre un but euh, pour, égaliser, mais, pas, mais juste euh, au moins pour essayer de sauver la face. Mais heureusement qu'il fallait compter avec euh, un excellent Sadio Mané qui a su vraiment faire la différence pour nous. Et voilà, très fier aussi de cette qualification. Euh, bon, <laughs> je ne sais pas si je vais parler de, de ou pas. Euh, par rapport aux critiques, je pense que c'est Alexis, c'est même bien avant d'aller à la Cannes. Il a souvent toujours été critiqué, il a toujours été critiqué. Donc, euh, parce que qu'est-ce que les gens lui disent Ils disent que voilà, il produit pas un bon jeu, pour ci, par-ci, par-là. Mais derrière, lui, il arrivait toujours quand même à gagner beaucoup de ses matchs. Donc euh, je ne pense pas que quand même peut-être ces critiques euh, lui ont peut-être dérangé parce que je pense qu'il avait déjà l'habitude d'entendre ça. Les joueurs, euh, je, je, ne sais pas, je ne sais pas trop, mais pour aller, pour aller oui. Donc je pense que là, il arrive en huitième de finale. il surprend en tout cas beaucoup par ses choix tactiques, par sa façon de faire évoluer son équipe. C'est dire que voilà, aussi, je pense que c'est aussi un coach quand même qui apprend toujours. Et, je, me, dis que c'est normal, ça ne doit pas être une surprise parce que lorsqu'on fait quelque chose, on veut toujours aller de l'avant. Donc lui aujourd'hui, s'il fait du bien, c'est dire que voilà, il est en train de progresser. C'est excellente chose. Ça y est, le Sénégal va jouer la finale de la Cannes pour la deuxième fois d'affilée, ce après avoir éliminé en demi-finale le Burkina Faso. Mouam Chikao Ndambouya, Nyeti Bal Ben. D'abord, on dit félicitations aux Lions euh, qui ont vraiment livré un match abouti, un match héroïque. Ils ont mouillé le maillot, comme nous Ils n'ont rien lâché hein, du début jusqu'à la fin. Bobolé, Djongate Nak Bunko Ndare Dakotike, Denis mettre accent sur un point. L'outil engagement, Bobo contre le Cap-Vert, engagement bobu ñu gisoon contre la Guinée équatoriale C'est même engagement bobu lañu giss démb ci xar kanam gaynde giss nañ un état d'esprit bu am solo giss nañ la rage de vaincre giss nañ également également euh, sur le plan euh, sur le défi physique les Lions ont bien répondu parce que le euh, défi physique bi daf ci parce que l'équipe bi mais sur cet aspect on a vu un bon visage des Lions du Sénégal mais également une bonne occupation du terrain mais également aussi on a vu une équipe du Sénégal hein, qui a été tactiquement bien disciplinée waaye itam ñuy une équipe nationale du Sénégal qui a été constante hein, depuis la euh, phase de poule Depuis depuis match à élimination directe parce que en huitième de finale c'était 2-0 quart de finale 3 buts à 1 même score en demi-finale comme l'on le met. est plus que jamais en train de monter en puissance ben aspect bi c'est l'aspect tactique on a vu Alun Tussé qui est resté fidèle à son chemin de jeu surtout avec ses trois milieux euh, défensifs qui a fait pas mal de bruit mais également Alun Tussé a misé sur la profondeur de son banc toujours avec l'entrée d'Ismaël Sarr attaquant Watford bi sa na ne saa su rek euh, day gën a jëmmal le jeu des Lyon. parce que Ismaïla Sarr bu ñëwee dañuy gis le jeu de Lyon. day gën a am des day gën des andi vitesse et percussion ci li euh, zone adverse mais également l'entrée de Pape Gueye a fait du bien au milieu euh, sénégalais bi nga a baissé commencé à baisser les pieds surtout avec un cher qui a été un peu sommé sous surtout après euh, choc bi nga xam ne avec le gardien de but mais nag gis na ni a euh, am na benn faille bu ndaw bu ñuy noté surtout sur le plan technico-tactique de la part de Aliou parce qu'à un moment donné il a fait sortir ki nga xam ne moom mooy Bamba Dieng mu daal lancer donc en ce moment du match le Sénégal menait pas deux buts à zéro mais en ce moment là le Sénégal mi pas sans avant-centre euh, donc résultat bi lan la défense euh, burkinabé dafa doon jouer très haut il a multiplier les ci Le résultat bi mooy Burkina a réussi à réduire le score à la 81 e minute par la personne de Balati Touré gis na ni tamit bii boobu dafa dafa a ce but a donné des ailes à cette équipe burkinabé bi nga commencé à semer le doute mais heureusement pour le Sénégal un joueur qui se nomme Sadio Mane était là mu et son leadership ni il a su faire la différence Dans le but libérateur le troisième but de cette partie mais également bii un ñetteelu bitam ci peu la Coupe d'Afrique également c'est son huitième but en phase finale de Coupe d'Afrique donc 17 matchs de Coupe d'Afrique 8 buts pour 3 passes décisives mais également Sadio Mane a inscrit hier son 29e but en sélection donc il est à deux buts du record absolu détenu par un certain Henri euh, Camara waaw euh, comme joueur yi rek xam nga joueur yi dana wax léegi xam nga euh, luy problème mooy Afrique dafa métti footballeur Afrique dafa metti métti footballeur joueur comme euh, joueur bu mag joueur bu mag ci Coupe d'Afrique bi lañ koy xamee comme benn Sadio Mané boo xam ne dara dara day am match bu metti mu ñëw génnee ko génne nu ci xam ne loolu joueur bu mag la. wa lol la parce que euh, Égypte du du du du du équipe bu ndaw du équipe bu ndaw parce que ñu fa nekk ñëpp danoo mëna football euh ñom Mohamed Salah comprendre ñoom danoo mëna football, ta ta ta ta ta finale final final moom kenn ko kenn ko jouer dañ kay gagner affiche bobu nonu bon man nak sérieusement xaru ko mais man xamone na ni Sénégal metti metti de dem final man je disais il y a cela deux mois man leen ñun dañuy final mais je me disais que dañuy final la Cameroun bir deuk nga gagné ko fa man mom loolu la doon chaque fois. far Égypte ñëw nak waaw à ma grande surprise euh, Égypte ñëw xaaruma woon Égypte sérieusement parce que euh, Cameroun la ni dina qualifié te comme ko ko gagné la dernière fois pour man tamit day ñëw jaara fofu mais bon. Euh, Sénégal-Égypte, ah, ce sera un match difficile parce que déjà Égypte, nous allons croiser cette équipe au mois de mars pour les éliminatoires à la Coupe du Monde. C'est déjà, on va dire, un avant-goût un avant un avant-goût qui va être euh, très très très très difficile aussi. Ça ça il faut l'avouer. Maintenant dans ce tournoi nous avons vu ce que l'Égypte a pu faire. Nous avons vu aussi ce que le Sénégal a pu faire. Ah, restons confiants que nous pouvons le faire. Voilà. Personnellement, la, la bonne stat que moi j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé, j'ai vu que cette équipe du Sénégal depuis ce, depuis ce deuxième tour, c'est-à-dire à partir des huitièmes de finale, voilà, c'est toujours au minimum deux buts par match. Voilà, le Sénégal qui, pendant les phases de poule, avait, avait des problèmes pour marquer beaucoup de buts. Lors des matchs couperés, ce n'était plus le cas. C'était toujours deux buts au minimum par match. Donc je pense que déjà, ça fait du bien. Parce que si on voit que cette équipe euh, d'Égypte n'encaisse pas, n'encaisse pas aussi beaucoup, et elle, arrive, et elle, elle, elle a aussi joué ces matchs euh, jusqu'en prolongation. Donc c'est dit que c'est une équipe aussi qui tient physiquement, voilà, parce que beaucoup disent que peut-être l'équipe va se fatiguer, mais l'équipe tient, l'équipe tient, donc euh, l'équipe a joué, a gagné ses matchs euh, aux prolongations et, au tir Donc je pense que ça va être un match difficile et aux Sénégalais de, tout faire, puisque nous d'habitude les tirs au ne nous réussissent pas voilà, tout faire pour, pour remporter le match durant les 90 minutes. Quoi. Ce serait vraiment super euh, parce que voilà, le peuple attend, attend, attend cette coupe. Sénégal Égypte l'olé moom affiche bu 33e édition bu Coupe d'Afrique Jongate Bobé, ñu ndar ko xaar dibeer bii di bu 19h jotee lay doon Sénégal Égypte nag ñuy fàttali ñaari équipe yooyee ñoom ñaar war nañoo laale bu Coupe d'Afrique bi jeexee lay doon mu nekk barrage éliminatoire Coupe du monde Qatar 2022 donc avant-goût tu ci yooyu la éliminatoire ñu bëri nag ñu ngi doon le pays hôte le Cameroun pour mu dem final. mais euh, demeewul non, Égypte moom moo mujjee am on ndam gannaaw bu mu demee ci au bi 3 euh, buts à 1 mu nekkoon match bu jafé gis né ni c'était très serré de la part des deux côtés jeu bi euh, yombul won et Camerounais était venu euh, pour s'imposer parce que dañu bëggone jouer finale à domicile mais malheureusement ils sont tombés sur des Égyptiens plus coriaces et plus déterminés que comme donc au Sénégal xamna na adversaire am ci boobule finale boobule finale nak gars yi dañ koy wax une finale n'est toujours pas Elsa Gagne ah, gaynde Sénégal yi nan la ñu war a mun a def ngir am ndam ci kaw égyptiens yi ñu fàttali les égyptiens sont des habitués de la CAN ndaxte ñoom ñoo am record de trophée avec sept trophées alors que le Sénégal musul am étoile donc boo xoolee habitué ak euh, novice lañ ko mun a hein, parce que Sénégal musul gagné alors que l' Égypte moom jël na coupe bi euh, jëlati ko jongante boobu Égypte moom mooy dolliwaat beneen étoile wala Sénégal moom mooy décroché sa première étoile L'olé, nag euh, mu nekk laaj bu sampu waaye comme nous ñuy wax rek euh, équipe nationale bu Sénégal dafa nekk di monter en puissance contrairement à cette équipe égyptienne certes elle se qualifie mais gis nañ ay match yu difficile lay am boo xoolee Égypte ci phase de poule yi ñaari but la dugal ba ñëwee ci élimination directe yi euh, ba léegi tamit boo xoolee euh, moom mi ngi daal di dugal ñetti but contrairement à cette équipe nationale du Sénégal mais l'autre point fort de cette équipe égyptienne moom mooy équipe bi nga xam ne moom du daal di jël but boo xoolee phase de poule benn but la daal jël phase à élimination directe yi benn but itam la daal di jël comme muy nekk ñaari but début le début de la tour début le début du tournoi tout comme le Sénégal am ah. ñoom ñaar ñëpp ku nekk ñaari but comme mu nar nekk match bu am solo mais comme lu ñuy wax final dafa nekk match bu spécial autre paire de manches certes c'est la suite de la compétition mais final dafa am ses propres réalités ah, donc euh, pour ceux qui seraient en plus pour les Lions du Sénégal, l'autre euh, pour les Lions du Sénégal, c'est d'avoir euh, cet aspect de bien gérer ses temps forts. Parce que match temps fort, là, temps faible, bien gérer ses temps forts, mais également bien négocier euh, ses temps forts, mais également les clé du match. moom d'avoir avoir la gestion des émotions parce que final la pression est bruit, enjeu il y a une couronne qui attend les jours a une amul gestion des émotions Si nous mënul euh, contrôler nerfs rek les jours peuvent passer à côté parce que pression est très forte coupe euh, xaar mais si nous sommes ci train la jogante gis Sénégal a na am ay euh, avantage par rapport à cette équipe égyptienne premièrement dañuy wax que l'équipe du Sénégal est plus constante que celle égyptienne Sénégal gis nañ ni deuxième tour bi dafa dépasser largement prestation au premier tour gis nañ ni chaque fois que vous jouez, l'équipe de trouver son efficacité huitième de finale 2 buts le one, quart de finale 3 buts euh, demi-finale 3 buts donc euh, l'équipe mun c'est en mode de diesel euh, c'est comme le vin cette équipe se bonifie avec le 20, mais l'autre atout majeur pour cette équipe du Sénégal c'est l'aspect physique gis et l'Égypte durant toute cette phase à élimination directe égyptiens nous jouer 120 minutes gis 8 huitième de finale c'était 120 minutes, minutes beau tir au but, quart de finale pareil demi-finale nous avons un ñu dem ba gagner moj le Cameroun le période alors que Sénégal Moussoul musul 90 000 il a toujours gagné ses matchs c'est un réglementaire bi Sénégal de disposer d'un jour de repos de plus que cette équipe égyptienne le Sénégal a ñu jouer demi-finale le mercredi alors que l'Égypte a joué sa demi-finale le jeudi donc finale dimanche comme fraîcheur physique Bobu, mon japonais donne un avantage pour cette euh, équipe du Sénégal mais bon comme on dit un match se joue dans le terrain seule la vérité du terrain euh, réel mais dañuy Japonais, ni une finale beaucoup ak yenen match yi match yi day engagement combativité et la grinta et la rage de vaincre te gis na ni Sénégal lu mu euh, ci phase de euh, match à élimination directe Comme gëm na cette équipe bu reconduire cette même aspect nous na venir à bout de cette équipe égyptienne gis na ni si l'équipe nationale du Sénégal joue sur ses vraies valeurs mun na équipe égyptienne mais attention à cette équipe égyptienne qui a un leader Mohamed Salah donc match beaucoup au duel à entre Mohamed Salah et Sadio Mane. Ses deux amis, les deux compères, euh, euh, les deux... amis, les deux attaquants de Liverpool, match bobo dina Wane, qui est réellement le meilleur joueur du continent africain ñuy fàttali rek Sénégal Égypte ñaari équipe bi nak bi mo dara nek nekk seen juróomeelu yoon ñuy daje ci phase finale de Coupe d'Afrique euh, danaka bo xolé si ñenti match euh weesu Sénégal daf ci am ñaari ndam Égypte am ci ñaari ndam Sénégal ñaari ndam mi moy Caire 86 match ouverture Sénégal gagné Égypte 1 but à 0 même score bi le Sénégal daal di gagné Égypte lors de la CAN 2002 mais gis na Égypte mom tamit gagné na Sénégal euh, ñaar yoon Égypte dóor euh, Sénégal lors de la CAN 2006 en demi-finale nous euh, mu 1 but à 0 mais nous gis nañ tam Égypte euh, daal dina euh, gagné ki nga Sénégal lors de la CAN 2000 1 but à 0 donc finale bu dimanche moy la 5 e confrontation bi kan moy am 3-2 ci kaw moromam lool dinañ ci am lu leer en tout cas ce qui est sûr et certain cette finale entre l'Egypte et le Sénégal sera une belle affiche affiche bu prometteuse les donne c'était tout pour ce numéro a Soliego. A la próxima.